le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio calam le forum du studio le forum du studio le forum du studio calam le forum du studio le forum du studio Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum de Studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Aujourd'hui, le forum de Studio Kalangou a pour thème Production du Moringa au Niger, enjeux, défis et opportunités. Le Niger regorge d'énormes potentialités en matière de production forestière qui contribue à l'amélioration des conditions de vie socio-économiques des populations rurales et urbaines. En effet, certains euh, de ses ressources, particulièrement euh, les produits forestiers non ligneux, dont l'effet du moringa olifera, El Maka en Hausa et Windibundu en Zarma, contribuent largement à l'amélioration des conditions de vie socio-économique des producteurs, euh, soit directement par leur consommation ou indirectement par les revenus générés par leur commercialisation. Aujourd'hui, l'effet du moringa olifera sont fortement consommés par la majorité des ménages nigériens ou utilisés à des fins de production industrielle. Avec euh, nos invités, euh, nous allons voir ou comprendre toute l'importance de la production et la consommation du moringa, euh, ses vertus nutritives et thérapeutiques, ainsi que les enjeux, et la nécessité de sa promotion dans l'agriculture au Niger. Nous avons donc le plaisir de recevoir Ousmane Dantata, président de l'association Afrique Fondation Jeune, Ousmane Dantata, bonsoir. Bonsoir. Et Mahamadou Abdelaziz, promoteur de la ferme agropastorale Gourbi. Euh, Mahamadou Abdelaziz, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, nous allons d'abord écouter Dr Abderazak Bello sur les vertus nutritives du moringa. Quand vous prenez en termes de, vitamines, vous avez le moringa est riche en, vitamine A. Et la richesse en vitamine A fait que le moringa est un aliment de référence, beaucoup plus que euh, ce qu'on considère comme référence en la matière, notamment le, la carotte. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on demande euh, quels sont les aliments riches en vitamine A, on a tendance à voir la carotte. Et eh bien, quand vous comparez le moringa à la carotte, le moringa est beaucoup, beaucoup plus riche que, le, que la carotte en vitamine A. Maintenant, quand vous prenez également euh, la vitamine, la vitamine C. La vitamine C, les aliments de référence, ce sont des aliments comme l'orange. Et là également, quand vous comparez la teneur à vitamine C du moringa, le moringa est très riche, beaucoup plus riche que l'orange et le citron en vitamine C. Maintenant, quand vous prenez également du côté des sels-là, des sels minéraux, parmi les sels minéraux que vous avez, vous avez le, fer. Là également, euh, quand on demande tout de suite de citer les aliments riches en fer, on a tendance à, penser aux feuilles de, baobab. Et là également, lorsqu'on compare la teneur en fer du, moringa, le moringa est beaucoup plus riche que les feuilles de baobab en, fer. Et également, parmi les sels minéraux, vous trouvez également du calcium et le calcium, l'aliment de référence, c'est le lait. Et vous avez autant de, autant de calcium dans le lait que dans le, que dans le moringa. Et pour terminer avec les sels minéraux, vous avez également un sel minéraux, notamment le potassium. Quand on parle de potassium, l'aliment de référence qu'on cite, c'est généralement la, la banane. Et là également, quand on compare la teneur en potassium de la banane, le moringa, est beaucoup plus riche que la banane en potassium. Ça, c'est du côté, côté des vitamines et des sels minéraux. En plus de ça, le moringa a une caractéristique que les autres feuilles n'ont pas. Parce que habituellement, les feuilles sont riches, sont pauvres en protéines. Et là, euh, miracle de la nature, le moringa est très riche en protéines. Vraiment, c'est une, c'est une plante, une feuille qui apporte des protéines, alors que habituellement, je l'ai dit, des feuilles n'apportent pas de, de, protéines. Parce que quand vous prenez 100 grammes de moringa, vous avez à peu près 20 à 30 grammes de, de protéines, ce qui n'est pas négligeable, parce que ces 20 à 30 grammes, c'est à peu près les mêmes proportions qu'on retrouve dans des aliments de référence comme la viande, comme, la, comme, le, comme le poisson, pour dire que le moringa est, une, est un aliment également riche en, en protéines. Maintenant, en plus de sa richesse en vitamines et en sels minéraux, l'autre caractéristique qui fait que le moringa est préconisé, notamment, c'est sa teneur en ce qu'on appelle des phytomicronutriments. Les phytomicronutriments sont des substances qu'on retrouve en petite quantité qui ont des effets bénéfiques pour la santé. C'est ainsi qu'on a découvert des phytomicronutriments dans le moringa qui permettent d'abaisser, par exemple, le taux, de, taux de cholestérol. Et on sait que le taux de cholestérol est en relation avec euh, souvent les maladies cardiovasculaires. On a également euh, remarqué que dans le moringa, vous avez des fibres alimentaires. Et ces fibres alimentaires également jouent dans la prévention d'un certain nombre de maladies et c'est ce qui fait que le moringa joue un rôle dans la prévention des maladies comme les maladies cardiovasculaires et les maladies comme le cancer. Là également, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'une euh, consommation régulière du moringa, de par sa teneur en en phytomicronutriments et surtout en vitamine A et en vitamine C, le moringa joue un rôle dans la prévention des maladies comme le cancer. Également, le moringa a des vertus antibiotiques. Vertus antibiotiques, il y a des substances qui ont été identifiées et ces substances-là ont des vertus ont des vertus antibiotiques, notamment dans le, traitement de, de certains nombres de pathologies. Ousmane Dantata, comment votre association Afrique Fondation Jeune appréhende-t-elle les questions liées à la production du moringa considéré comme étant l'or vert au Niger Merci beaucoup. Donc le moringa pour nous euh, depuis en fait euh, depuis 2008 euh, où nous accompagnons les jeunes dans leur processus d'insertion, nous nous sommes rendus compte que le moringa peut être une opportunité. Parce que d'une part, euh, c'est une plante qui est quand même euh, assez adaptée au Niger, qui est largement cultivée, qui est également euh, consommée. nous avons pensé que à partir du moringa ou autour du moringa, plusieurs métiers, plusieurs activités peuvent se faire. Donc, nous avons développé des chaînes de valeur autour donc de la production et de la transformation du moringa. Nous avons commencé par faire donc un, ce qu'on appelait un restaurant école euh, sur euh, comment on peut euh, améliorer donc la, consommation du moringa. Aujourd'hui, par exemple, c'est devenu très courant pour les gens d'utiliser du citron pour manger le, le, copto quand on le fait. donc c'est en fait, en réalité, à partir de ce que nous, nous avons fait, de notre expérience, qu'aujourd'hui cela est diffusé. Vous aviez plusieurs métiers autour de, de la restauration, que nous avons pu développer également. Euh, Rappelez-vous qu'en 2008, euh, c'était inconcevable d'avoir, par exemple, du moringa servi euh, dans les pauses café ou bien même dans des restaurants. Aujourd'hui, vous aviez, par exemple... Ça se fait aujourd'hui. Ça se fait aujourd'hui dans, un, dans des restaurants euh, très classe de la capitale. Les gens en raffolent. Les gens en raffolent. Donc, c'est pour dire que le moringa est effectivement vu pour nous, dans un premier temps, comme une opportunité qui a permis de, de sensibiliser les jeunes sur l'appropriation des, euh, disons, de la production agricole ici au Niger en leur disant, écoutez, c'est possible avec le Moringa de s'organiser, d'améliorer des revenus, de contribuer à l'autosuffisance alimentaire, mais également de euh, contribuer à faire en sorte que euh, les personnes puissent, puissent se, porter en, en, meilleure santé. Donc voilà, c'est effectivement une plante qui est assez intéressante et elle nous a permis de découvrir d'autres plantes. Elle nous a permis de découvrir que son association avec euh, avec plusieurs autres plantes euh, eh bien peut permettre de, on va dire des résultats qui sont extraordinaires que ce soit du point de vue de la santé, du point de vue de la diététique, du point de vue euh, même euh, disons de la parapharmacie ou encore de l'industrie puisque par exemple que ce soit sur comment dire les graines de moringa qui peuvent être utilisés souvent. Bon, par exemple, tout à l'heure, le, nutritionniste a beaucoup parlé des aspects effectivement nutritionnels du moringa, mais il y a des applications possibles. Par exemple, vous voyez, euh, une graine de moringa peut permettre euh, de traiter un litre d'eau, jusqu'à un litre d'eau, une seule graine permettrait de tuer tous les éléments pathogènes qui sont dans un litre d'eau. Une fois que c'est écrasé, ça veut dire que ça va décanter, ça va décanter cette quantité d'eau, mais également euh, ça va tuer des éléments pathogènes. Donc on peut utiliser cela. On utilise les, les feuilles de moringa également dans l'agriculture. Par exemple, c'est un booster qui peut, euh, quand il est utilisé, permet d'accroître le rendement de la, des plantes. Donc voilà, c'est vraiment une plante qui en soi est extrêmement intéressante voilà, vous voyez le, RECA, euh, qui est donc le, réseau des chambres d'agriculture du Niger, a fait il y a 4-5 ans euh, une estimation des quantités consommées de feuilles de moringa à, rien qu'à Niamey. Ils ont estimé qu'il y a 100 mille tonnes de moringa qui sont consommées euh, dans l'année ce qui est quand même considérable, sachant que un autre bassin de production et de consommation du moringa se trouve vers Maradi. Mais aujourd'hui, c'est une plante qui est cultivée vraiment, euh, même jusque dans l'Aïr, en fait, euh, de, façon euh, systématique. Ousmane Dantata, euh, du point de vue climatique, le Niger est caractérisé par un climat tropical de type euh, soudanien où alterne une longue saison euh, sèche d'octobre à mai et une courte saison de pluie de mai à septembre. ce climat est-il propice à la production du moringa alors, le moringa s'est adapté au Niger. Il faut savoir que c'est une plante qui est originaire de, de l'Inde du Nord, qui a été ramenée euh, dans l'espace euh, nigérien, mais en fait sahélo-saharien d'une manière générale, euh, par les pèlerins, les premiers pèlerins qui partaient à la Mecque, qui l'ont ramené comme un médicament, parce que il y a les fakirs et, et les, les disons les phyto traitants qui allaient, qui, qui vendent aujourd'hui encore d'ailleurs des, des, graines de moringa à la Mecque comme médicament. donc le moringa est arrivé au Niger avec les pèlerins c'est eux qui l'ont amené et c'est pourquoi on l'appelle El Maka parce que c'est la fille de la Mecque. C'est aussi la première plante qui a commencé à être plantée dans, dans les maisons à l'ouest du pays et on l'appelle effectivement Windibundu. Voilà, c'est ça un peu l'étymologie de, de, l'utilisation de son nom. Et donc c'est une plante qui, euh, qui s'adapte à notre climat qui s'est complètement adapté, puisque nous, ça fait donc euh, au moins 300 ans que le moringa est utilisé, euh, en tout cas au Niger. Et on peut euh, regarder que la façon dont, au début, le moringa est utilisé effectivement dans la maison où on sait que en l'arrosant, régulièrement, voilà, on arrive à, à avoir une production de feuilles. Euh, suffisamment intéressante pour, euh, pour compléter en tout cas les alimentations des, des personnes. Euh, puis euh, aujourd'hui, ça se généralise. Il y a des, euh, des espaces, des jardins où les gens produisent essentiellement du moringa. Au début, c'était plutôt une plante qui était, qui était utilisée sous forme de, on va dire, de protection en fait pour délimiter euh, les jardins. Des, haies comme ça. Voilà, des haies. Euh, mais plus tard, les gens se sont rendus compte que, en fait, le moringa rapporte plus que ce qui est euh, principalement cultivé. Donc beaucoup de producteurs, par exemple, vous allez voir que un producteur qui peut avoir sur sur un quart d'hectare des revenus de 300 000 francs parfois par mois, voire plus, euh, c'est quand même quelque chose qui est, considérable et que les gens ont pu respecter. Et donc la, production, elle se fait euh, relativement bien. Le climat n'est pas euh, le véritable problème. Le seul, le grand problème que les producteurs rencontrent aujourd'hui, c'est essentiellement celui de la prolifération à un certain moment de l'année d'une chenille qui est elle-même en fait donc la chenille d'un petit papillon de nuit euh, qui vient euh, souvent donc euh, coloniser les, les plantes en dévorant les feuilles. Et c'est cela aussi entraîne d'autres euh, d'autres comportements de nos producteurs qui sont nocifs. Je pense que euh, Monsieur Ablaziz va beaucoup plus en parler. donc voilà. En tout cas, cette plante, elle est elle est plus adaptée elle est, elle est assez adaptée au, climat du, Niger. Il n'y a pas de problème pour sa production. Elle ne nécessite pas un, une terre euh, suffisamment riche euh, ou bien euh, une quantité excessive d'eau. Elle s'adapte en fonction de ce que vous lui apportez. Abdelaziz euh, Mahamadou, euh, comme euh, Ousmane Dantata vient de le dire, le moringa est originaire de l'Inde. C'est une plante tropicale à bois tendre, résistant à la sécheresse, également présente dans plusieurs pays africains, en Asie, en Amérique latine, au Niger, cette plante est cultivée dans la plupart des régions du pays. Ousmane Dantata l'a rappelé également. Comment vous êtes arrivé dans les activités du Moringa donc euh, après l'historique euh, qui a si bien été fait par mon aîné, Ousmane, donc euh, nous on a, on a initié un projet agricole depuis 2009 et très tôt on s'est intéressé justement au moringa parce que le moringa présente pour nous tellement de potentiel et c'est une plante tout de suite qu'on a vu qu'on pouvait, dont on pouvait faire la promotion et elle nous permettrait en tout cas d'aller dans le sens d'abord de, la transformation et de la commercialisation de cette plante sous diverses formes. Donc de 2009 à 2014, on a mis en place un projet. Ah, ça vous coupez, euh, Mohamed Abdelaziz. Est-ce que vous êtes euh, agriculteur ou agronome de formation Oui, en fait, je suis, je ne suis pas agriculteur et agronome mais je suis un agriculteur professionnel depuis 2016. Euh, je suis comptable informaticien de formation et c'est par passion d'abord que je me suis intéressé à l'agriculture en général. Donc le choix de la culture du moringa, c'est comme j'ai dit, euh, vraiment c'était, on va dire, une vision. Pour nous, il y avait tellement, elle présentait tellement de potentiel. Donc on a fait le choix de faire une culture biologique du moringa. Et afin de pouvoir faire plusieurs développements après. C'est ainsi que, donc, euh, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle une gamme thérapeutique. Et comme on a suivi donc les interventions du, docteur par rapport à tout ce que présente comme valeur nutritive et avant bienfait du moringa, donc nous avons développé une gamme thérapeutique qui est vendue, qui est distribuée dans des pharmacies à Niamey. Et nous avons développé notre gamme cosmétique et une gamme alimentaire. Donc aujourd'hui. Ça, c'est du point de vue de la transformation. De la transformation, oui. Nous cultivons le moringa nous le transformons et nous le commercialisons sur un circuit qui est de plus en plus étendu. Et nous sommes là en train de nous inscrire dans un programme à l'export avec le SIDMEN et nous ambitionnons d'exporter le moringa euh, sur le marché international. Mahmoud Abdelaziz, aujourd'hui, quelles sont les opportunités dont regorge ce secteur En fait, euh, comme l'a si bien dit mon aîné Ousmane, c'est que le moringa est une plante qui est tellement, euh, on va dire, qui présente tellement de potentiel, qui est tellement facile à cultiver, qui s'adapte à notre climat et qui n'est pas exigeante sur la qualité du, du, du, sol ou bien de la terre. Donc c'est vraiment une plante qui représente tellement de potentiel et c'est quand même dommage que cette plante ne soit même pas plus promue que cela parce que c'est une plante sur laquelle en fait l'économie agricole du Niger peut se baser pour que vraiment euh, l'agriculteur vive de son métier. C'est une plante que aurait mieux apprivoisée et c'est une plante qui suffit pour vraiment, comme j'ai dit, nourrir euh, les agriculteurs qui vont faire le choix de, cultiver cette plante-là. Alors, Mohamed Abdelaziz, euh, quelles sont vos difficultés, les difficultés liées à la production du moringa Bon, les difficultés sont, on va dire, les difficultés en général du secteur agricole au Niger. Aujourd'hui, et on va dire, euh, l'agriculture telle que euh, on fait la promotion, telle qu'on veut la faire. C'est-à-dire que l'agriculture professionnelle, c'est une agriculture qui va demander beaucoup, beaucoup de moyens. Donc, euh, beaucoup de gens se sont déjà investis avec leurs moyens, mais bon. Et partout dans le monde, on va dire l'agriculture, quand même, elle se fait avec de l'accompagnement, avec des subventions de l'État. Et aujourd'hui, la plus grande difficulté à, laquelle tous les producteurs sont confrontés, c'est ce problème d'accompagnement. C'est ce, le, manque de subventions, d'accompagnement en général, fait et limite la possibilité qu'on a de développer. Vous faites allusion au crédit euh, à travers les banques euh, Je fais plutôt allusion, on va dire, aux subventions. De l'État De l'État. Oui, parce que c'est vrai que les crédits bancaires dans le domaine agricole, souvent nous, les, on va dire les promoteurs privés, on, a, on a fait le choix, donc on est obligé de passer par ces crédits parce qu'ils sont plus disponibles. Mais eh, on ne peut pas financer l'agriculture avec que du crédit. Partout, ça se fait avec des subventions. Le rôle de la subvention, c'est d'atténuer l'effort que vous faites d'investissement parce que l'agriculture, c'est un secteur quand même qui est rentable sur du long terme, sur du moyen terme. Alors que généralement, les prêts bancaires sont des prêts à court terme. Donc, vous ne pouvez pas financer quand même des développements à long terme avec des prêts à court terme. Donc c'est ça le rôle des subventions et ça aurait pu aider quand même à soulager, à diminuer cette pression de financement sur les, au niveau des promoteurs pour qu'ils puissent aussi s'investir et euh, faire plus d'investissements. Euh, Mohamed Abdelaziz, euh, l'une des difficultés des producteurs du secteur de l'agriculture au Niger, c'est l'écoulement, la vente des, produits. Est-ce que vous arrivez à écouler sans grande difficulté les produits issus du, du Moringa L'écoulement reste une des difficultés. Voilà, ça reste une des difficultés. Mais il faut savoir que l'écoulement, c'est quand même aussi lié à la situation économique en général. Aujourd'hui, comme l'a dit aussi Ousmane, c'est que le, la consommation des feuilles, quand nous prenons la consommation qui est l'usage qui, qui est fait le plus du moringa aujourd'hui, c'est la consommation des feuilles fraîches. Les feuilles fraîches de moringa sont toujours consommées au Niger. Il y a une grande consommation qui est faite. Mais quand vous prenez... Est-ce que la demande est forte euh, à ce niveau Oui, la demande est toujours forte. Je dirais même que la production euh, qu'on fait n'arrive pas à satisfaire cette demande. Mais aujourd'hui, c'est que eh, quand la production elle est faite eh, de façon brute, ça veut dire que produire sur les sites amenés au marché, ça suit ce qu'on appelle la fluctuation du marché. Il y a des moments où le prix sur le marché est complètement bas, à des périodes comme la saison de pluie. Ça peut faire peut-être, euh, on va dire, l'affaire du client, mais pas l'affaire du producteur. Donc euh, on va se ramener toujours à cette histoire d'accompagnement et de financement. Si euh, cette, cet écoulement pouvait se faire mieux, si certaines conditions sont réunies. Et c'est pourquoi j'ai dit c'est l'une des difficultés, euh, la, distribution, mais ce n'est pas que ça comme Il y a d'autres difficultés en amont. Si elles peuvent être réglées, en fait, tous les autres problèmes peuvent être réglés. Ousmane euh, des études ont révélé que 100 grammes de feuilles fraîches de moringa apportent autant de protéines qu'un œuf, autant de calcium qu'un grand verre de lait et autant de fer qu'un morceau de viande. Les Nigériens sont-ils suffisamment conscients euh, de toutes ces valeurs nutritives, de toutes ces vertus de la plante alors, il y a euh, vraiment de plus en plus. Je pense que euh, il y a quelques années, euh, on ignorait, on va dire, toutes ces vertus-là du, du, moringa. Mais de plus en plus, les aujourd'hui, c'est assez répandu. Les gens comprennent que le moringa est assez utile. tout celui qui mange même les feuilles bouillies de moringa préparées avec par exemple de la pâte d'arachide, il se rend compte qu'il a une meilleure digestion il se rend compte qu'il euh, se porte mieux. C'est le cas aujourd'hui pendant le, mois de Ramadan. Généralement, c'est le mois de grande consommation. Et pourquoi les gens se sont rabattus en fait essentiellement sur le moringa où vous allez voir sur toutes les tables euh, qu'il y a euh, toujours euh, une, certaine quantité de moringa que les gens consomment à la rupture. C'est parce que effectivement ce que vous aviez dit, ce soutènement tout particulièrement en, en fer, en minéraux divers, eh bien les gens constatent sans même étudier cela que ça leur apporte des, disons, voilà, des, des, des, des éléments intéressants pour leur euh, mieux-être. Maintenant, euh, de plus en plus, euh, on, on, se rend compte que euh, bon voilà les gens en parlent les gens disent voilà ce qu'ils euh, constatent etc nous avons par exemple en 2000 2012-2013, euh, fait avec une clinique euh, de la place. Euh, une disons une, étude dans le sens où nous avons 1000 personnes qui ont eu à consommer des tisanes de moringa. C'est-à-dire que c'est des personnes qui allaient pour consulter donc au niveau de cette clinique et qui consomment donc des, du moringa sous forme de tisane. On s'est rendu compte que par exemple au bout de, de, six jours que la, la totalité des, des 1000 personnes euh, ont pu régler le problème de transit digestif. C'est-à-dire que les personnes qui parfois peuvent faire euh, deux, trois jours sans aller au sel, donc ont une euh, constipation chronique, et eh bien que ce problème, par exemple, est résolu. On s'est rendu compte que pour ceux qui ont continué pendant un mois, et eh bien qu'ils ils ont rattrapé certains retards qu'ils ont ou certaines carences qu'ils peuvent avoir en fer, en calcium, etc. Qu'il y a moins de survenance de crise d'hypertension artérielle que euh, ces personnes-là également ont pu stabiliser euh, relativement le, taux de sucre donc dans le, dans le sang. Ce qui fait que euh, euh bon, à partir de là, euh, nous sommes aussi allés de, sensibilisation à sensibilisation. Et je peux dire qu'aujourd'hui, euh, même sans que les, c'est pas ce qu'on demande au public hein, d'être spécialiste de tous les composés du moringa, mais les gens comprennent que le moringa a effectivement des vertus thérapeutiques qui sont euh, relativement intéressantes. Et mm, bon, on voit qu'il y a des transformations. À un moment donné, vous voyez au Niger, quand les gens font bouillir les feuilles de moringa, on jette l'eau l'eau. Voilà, l'eau est jetée. Au Sénégal, dans tous les centres de rattrapage nutritionnel, euh, c'est l'eau qui est utilisée pour faire la bouillie aux, bébés à rattrapage nutritionnel et eux ne consommaient pas tellement les feuilles. Donc euh, maintenant, aujourd'hui, l'eau bouillie du moringa est vendue. Hein, cette eau est vendue autant que les feuilles. Donc c'est parce que des euh, gens se sont rendus compte que, par exemple, en utilisant une certaine quantité euh, de cette eau bouillie de moringa, eh bien, en la mélangeant avec de l'eau, en buvant tout simplement, eh bien, ils arrivaient à réguler le taux de sucre et aussi leur taux d'hypertension artérielle. Donc, c'est euh, l'autre chose aussi qu'on constate, c'est la, mise à disposition sur le marché de la poudre de, de moringa ou encore euh, du thé, des tisanes, différents types de tisanes euh, préparées par, plusieurs, euh, on va dire, producteurs et transformateurs, eh bien, le public commence à comprendre davantage que cela est utile. Par exemple, je peux vous confirmer que le moringa a en fait des vertus qui sont, on va dire, biodynamiques. Ça veut dire que quand vous consommez du moringa et que vous prenez un traitement, un médicament, eh bien, vous allez vous rendre compte que l'organisme va assimiler mieux le médicament que si la personne ne consomme pas du moringa. Vous voyez, parfois, vous voyez que euh, le médecin va prescrire un médicament et on se rend compte que le médicament n'est pas très efficace sur l'organisme de la personne, alors que c'est efficace sur euh, un autre. C'est simplement dû parfois au fait que l'organisme-là n'arrive pas à bien assimiler. Quand vous prenez du moringa, il rend biodisponible euh, pour l'organisme ce, euh, disons, ces médicaments contre le palu, etc. Donc le, moringa permet en tout cas de faire régénérer l'organisme, de, faire mieux fonctionner l'ensemble des ondes, des systèmes en fait de l'organisme. Voilà, donc ce qui fait que, euh, euh, vraiment très précisément, les, populations comprennent de plus en plus l'intérêt de consommer du moringa. Mais là, ce qui ne suit pas, et que disait M. Abdelaziz à juste titre, euh, c'est le fait que nos autorités n'ont pas encore bien compris, disons, la nécessité d'accompagner euh, les, producteurs. les, transformateurs, de se dire tiens, ça c'est une filière qui peut nous permettre de résoudre un certain nombre de choses. Vous voyez, euh, dans ce qu'il dit, souvent on va se dire mais est-ce que vous, vous rêvez ou quoi L'État va prendre des subventions pour vous donner mais en fait, euh, vous savez que si vous donnez du... Et nous l'avons fait avec euh, dans des villages euh, comme au nord de Tilaberi, où vous aviez des périodes où à partir du mois de, je peux le dire avec certitude, au mois d'octobre, octobre-novembre, les personnes ne consomment plus, dans les villages, on ne consomme plus de feuilles vertes, de quoi que ce soit. parfois, c'est juste le mil qui est réchauffé et que les gens mangent comme ça avec un peu de sel. Et vous aviez euh, de la malnutrition qui se développe. C'est démontré, c'est prouvé. En Afrique du Sud, par exemple, euh, il suffit de donner, euh, quand on isole une zone où il y a des risques de malnutrition, on donne l'équivalent d'une cuillère à soupe par semaine de poudre de moringa dans l'alimentation d'un enfant, par exemple. Rien que ça, si vous lui donnez une fois par semaine, juste une, cuillère, à une cuillère à café, à soupe du moins, de la poudre de moringa, vous éloignez la malnutrition chez l'enfant. Même s'il mange du riz matin, midi, soir sans sauce, il ne sera pas malnutri. Parce que, comme vous l'aviez dit, les, ces apports nutritionnels sont apportés donc par le moringa. Alors, si aujourd'hui, il faut regarder combien le Niger paye par an en termes de, euh, micronutriments pour, de l'extérieur. Donc, dans notre balance commerciale, on est en train de faire de la perte en payant des, des micronutriments ailleurs alors qu'il suffirait simplement de les mettre à disposition des, populations. Euh, rien que la ferme Gouroubi de M. Abdelaziz, si on lui dit vous êtes tête de file de tous les producteurs euh, de cette zone de, de par exemple de Saï et vous devriez euh, voilà tant d'argent et on fait un contrat avec vous pour que chaque enfant de cette zone eh bien que vous lui mettez à disposition une cuillère à soupe de, poudre de moringa, eh bien, ça suffit pour éloigner la malnutrition. Parce que le problème de la malnutrition, ce n'est pas seulement l'enfant qui a un gros ventre, qui a des cheveux roux, euh, que vous allez constater et régler au bout de, d'une année ou deux, de, deux ans. Quand la personne, euh, en fait, le développement cérébral est compromis, d'accord Un enfant qui naît malnutri, qui va euh, être allaité par une femme, une mère qui est malnutrie, va avoir des conséquences irréversibles sur son développement cérébral. Et ça, on le sait dans les études de, population et de santé, euh, en tout cas que moi j'ai suivi depuis, depuis 1996, que ça avait euh, démarré à l'époque avec CARE International, eh bien, euh, on, sait par expérience que pendant, pendant plus de 10 ans, 21% des femmes nigériennes euh, était, et aujourd'hui c'est autour de, je sais pas, 15 ou 16 mais, mais pendant 10 ans, on a eu 21 des femmes nigériennes qui étaient chroniquement malnutries. Et donc leurs enfants, aujourd'hui, ont 25 ans, etc. Et il faut en fait, euh, à cause du retard d'accord, du développement cérébral, ce n'est pas de l'éducation normale qu'il faut, c'est une éducation spécialisée qu'il faut. Vous allez voir quelqu'un, il est grand, il est beau, il est fort, mais en fait son cerveau, n'est pas développé. D'accord Donc vous voyez ce qui fait que le pays, il perd énormément. C'est-à-dire que c'est chaque fois, nous sommes en train de perdre. Donc la, question, elle est effectivement, euh, elle est centrale dans le développement du Niger. La question de la malnutrition, elle est, elle est centrale. Ce n'est pas juste de se dire, les gens ont besoin de la distribution de riz euh, et, on le leur fait de mille plutôt ou de riz et on passe. En fait, il faut l'analyser dans sa globalité et voir quelle approche à, à, faire Mohamed Abdelaziz, les preuves scientifiques et les vertus du moringa ont été euh, révélées. Euh, l'arbre du moringa est aussi appelé l'arbre miracle, l'arbre éternel ou encore l'arbre du paradis. Euh, comment promouvoir la production du moringa au Niger Bon, c'est que nous, l'exemple que nous, quand vous prenez l'exemple de l'entreprise Gouroubi, qu'est-ce que nous avons fait C'est qu'aujourd'hui, sur la plante, euh, on va dire que toute la plante est utilisable. C'est-à-dire que vous prenez de la racine à l'écorce, aux feuilles, euh, les graines, les fleurs, il n'y a rien que vous jetez dessus. Donc c'est en ça que cette plante elle est intéressante. Maintenant, ce que euh, tout à l'heure, les sujets qu'on a commencé à aborder, et pour faire la promotion, pour mieux promouvoir la culture de cette plante, il va de soi qu'on euh, soit mieux organisé. En fait, c'est une filière qu'il faut promouvoir. Et quand qui dit promouvoir une filière dit organiser donc les producteurs. Il faut que si les producteurs savent que une fois qu'ils produisent, ils peuvent écouler euh, leur production de façon ordonnée avec une plus-value, ça peut les intéresser. Quand vous prenez, je ne vais pas citer le pays, mais un pays voisin qui a compris cela, et qui, a, qui avait déjà une organisation de producteurs de coton. Donc c'est une organisation qui est bien euh, structurée. Et comme le coton à l'international, les coûts du coton sont en train de tomber, donc ce pays a trouvé utile donc de, de, promouvoir la, la, culture du moringa. Et aujourd'hui, ils ont euh, donné des subventions à des producteurs pour les convaincre à produire le moringa. Et donc la même structuration est en train d'utiliser, d'être utilisée. Ils produisent le moringa et il y a une structure qui va racheter le moringa. Donc il faut une organisation. Donc pour mieux promouvoir la culture du moringa au Niger, il faut cette organisation. Il faut que les producteurs soient organisés et il faut que ça soit structuré. Et évidemment, je reviens encore sur le... Il faut un accompagnement de l'État. Et si l'accompagnement est bien fait, la filière du Moringa peut être euh, vraiment, pour, elle, est, très prometteuse et elle peut apporter un plus donc au développement. Il y a toute une activité qui peut être créée autour. Si la technique est bonne, on va aller euh, du côté euh, du nutritionniste Razak Bello, toujours sur les vertus thérapeutiques du moringa. En fait, il y a un petit conseil à donner aux, utilisateurs du, du moringa. Le conseil, c'est que vraiment, il faut bien laver d'abord les feuilles avant de mettre ça dans la marmite. De sorte à ce que lorsqu'on fait la cuisson, l'eau de cuisson contient également des éléments nutritifs importants. Donc vraiment, ce qu'il faut éviter, c'est vraiment de verser cette eau de cuisson-là. Cette eau de cuisson, elle est très, très, très riche en éléments nutritifs. Et c'est pour cette raison, ailleurs dans certaines régions, on récupère cette eau de cuisson-là pour faire d'autres, d'autres préparations. Notamment, en fait, on utilise cette eau de cuisson dans la préparation des bouillies qu'on donne par exemple aux enfants enfants malnutris, on remarque que bon, ça permet d'améliorer un peu la croissance des, enfants. Donc euh, la forme cuisson, oui, mais il faudrait surtout pas verser l'eau de cuisson parce que l'eau de cuisson peut avoir des, des vertus bénéfiques. Et comme je l'ai dit, cette eau de cuisson, non seulement elle est utilisée dans la préparation, mais comme je l'ai dit aujourd'hui, le moanga, c'est un aliment international consommé aussi bien en Afrique qu'à l'étranger, donc que dans les pays occidentaux. Cette eau de cuisson, elle est récupérée et on utilise ça comme boisson à cause de ses nombreuses, de ses nombreuses, de nombreuses vertus du, moringa. Toujours la relation entre le moringa et, la, et les maladies. On a également montré qu'il y a une relation entre la consommation de, du moringa et la prévention des troubles digestifs parce que le moringa facilite, améliore la, digestion. Le, moringa permet de lutter contre l'anémie. Vraiment, les maladies, euh, quand vous faites un peu le tour sur les sites, il y a des études quand même qui ont montré que directement ou indirectement, le moringa peut agir pratiquement sur 700, 300 maladies ou, ou troubles. Donc ces 300 maladies ou troubles, comme je l'ai dit, c'est ce que j'ai évoqué, les maladies cardiovasculaires, le cholestérol, le diabète, les cancers. Vraiment, pratiquement une bonne partie des maladies sont directement ou indirectement influencées par la consommation du moringa. Donc voilà un peu euh, les différentes vertus liées au moringa. Mohamedou Abdelaziz, au même titre que les autres cultures, il est possible d'améliorer la productivité des parcelles de Moringa. L'Institut international de recherche agronomique euh, dans les zones semi-arides et tropicales écrisates euh, travaille depuis 2003 euh, sur la sélection variétale et propose aujourd'hui une variété plus productive, la PKM1 un mode euh, de conduite plus adapté euh, de la culture est également proposé. Êtes-vous dans cette dynamique d'amélioration et de vulgarisation euh, du Moringa au Niger oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que l'Institut ICRISAT que vous avez cité est un institut qui a travaillé sur le Moringa et qui a élaboré donc cette variété Pecan dont vous parlez. Et nous, personnellement, c'est cette variété nous cultivons depuis donc 2009. Euh, c'est une variété qui présente beaucoup de potentialités parce que bon, elle a été élaborée justement en combinant d'abord le on va dire les caractéristiques résistantes de notre Moringa olifera ici, plus une autre variété indienne qui a plus de potentialité en termes de rendement. Donc c'est cette plante que nous, c'est cette variété que nous cultivons parce qu'elle a, elle donne beaucoup plus de feuilles et on a euh, quand même des, on est très satisfait des, rendements de façon euh, générale. Nous, par exemple, au niveau de l'entreprise Gourbi, ce que nous avons fait, nous avons donc euh, un site internet. Ce site internet, et nous essayons de donner beaucoup de transparence et beaucoup de visibilité sur ce que nous faisons, mais il y a donc la possibilité pour les clients de découvrir vraiment de façon dynamique tous bien fait. Et nous avons développé une plateforme de vente en ligne aussi qui permet aux gens de, s'approvisionner et de connaître un peu les vertus. Donc, euh, les gens découvrent de plus en plus que le moringa n'est pas seulement alimentaire, c'est pas seulement cet aliment que nous consommons, mais c'est toute une pile de, c'est vraiment un médicament, c'est toute une pile de, c'est une plante qui est riche, qui a beaucoup de, vertus et quand même dans le domaine de la parapharmacie, c'est en train de prendre aussi beaucoup d'ampleur. Aujourd'hui, pratiquement toutes les pharmacies à Niamey vendent, permettent quand même à, ce que ces types de produits soient présents dans les rayons. Ousmane Dantata, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour une meilleure promotion de la production du moringa au Niger Bon, je, pense que dans la pratique, euh, c'est possible de faire euh, du moringa à peu près partout. Euh, tout celui qui a quelques mètres carrés, même hein, pas besoin, vous pouvez mettre, vous prendre un, un vieux seau, un vieux seau d'eau. Euh, vous pouvez le remplir de terre si vous estimez que vous n'aviez pas beaucoup de un, terrain euh, spacieux. Voilà, vous pouviez mettre deux graines de moringa, n'importe lesquelles si vous voulez, euh, parce que bon, il y a souvent, euh, on va dire, un débat entre des puristes qui vont vous dire tel moringa et ceci, tel moringa et cela. En fait, vous pouvez prendre considérer que la la plante la moins prisée la moins euh, qualifiée, on va dire, euh, eh bien, ces feuilles, par exemple, qu'elle va vous offrir, euh, votre organisme ne peut pas assimiler tout ce qu'elle contient. Donc, c'est pour en fait conseiller les personnes à avoir chez elles vraiment euh, chacun doit avoir quelques pieds de moringa. Il n'y a pas d'excuse. Le moringa ne demande pas beaucoup d'espace, il ne demande pas une terre euh, extraordinaire, il ne demande pas beaucoup d'eau. Vous pouviez euh, réutiliser même parfois nous on l'a fait l'expérience en tout cas l'eau de ménage peut dans une certaine mesure même être réutilisée avec le moringa. Donc pour celui qui au niveau familial doit comprendre que cela va lui éviter euh, de tomber souvent malade parce que euh, eh bien sa famille, les enfants consomment le moringa. Et il en est de même évidemment pour ceux qui peuvent aller jusqu'à un niveau euh, de production plus intensive avec des terres plus grandes plus importante, dont on peut euh, certainement avoir à en discuter plus tard. Mohamed Abdelaziz, quels sont vos conseils, et recommandations pour une meilleure promotion euh, de la production, de la transformation euh, et de la commercialisation du moringa au Niger Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose, on va dire, un sujet sur lequel on va dire l'État ou bien la tutelle, en tout cas, doit s'intéresser. Et aujourd'hui, à titre privé, les personnes qui sont engagées déjà dans le secteur se déploient avec l'homme. moyens. Mais je pense que pour donner plus d'ampleur à ça et pour que ça ait, on va dire, un effet plus important, il faut que la tutelle s'intéresse de façon plus, on va dire, plus concrète et pour qu'on arrive quand même à avoir un secteur plus structuré et avoir des accompagnements qui permettent aux gens de produire plus et mieux. Malgré un revenu relativement appréciable obtenu, certains responsables des unités de production, de transformation et de commercialisation des produits du Moringa rencontrent quelques difficultés dans l'exercice de leurs activités. C'est pourquoi l'État, le gouvernement nigérien est appelé à mieux s'investir pour faire du secteur un levier de développement économique du pays. Et nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Ousmane Dantata, président de l'association Afrique Fondation Jeune, et Mahamadou Abdelaziz, promoteur de la ferme agro-pastorale Gouroubi. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme Dissidio Kalangou. Merci aussi à la, à la technique assurée par Mustapha Ayouba côté son et Issa Lawali côté vidéo. Merci, au revoir.